18h passé le 15 minutes au studio Kalangou. fidèle auditeur et auditrice des programmes de studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Trois sujets ont attiré notre attention cette semaine. L'acheminement des pèlerins nigériens en Arabie saoudite pour le Hajj 2024. Ensuite, la question des nouveaux corridors de transport des marchandises des commerçants nigériens proposé par le Premier ministre Ali Mohamed Leminzen. Enfin, la durée de la transition au Burkina Faso prolongée de 5 ans par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouna Diado, et les journalistes indépendants. Bonsoir Madame Maimouna. Ousseini Issa, journaliste indépendant également, bonsoir. bonsoir Et Armi Abba, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir Armi. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirko à la modération. thank you L'acheminement des pèlerins nigériens en Arabie saoudite pour le Hajj 2024 se poursuit. Le premier vol chartel des pèlerins a quitté le mercredi 22 mai 2024 avec à son bord 345 pèlerins. À la date du 30 mai, sur les 16 vols prévus, 14 ont déjà été réalisés en acheminant plus de 80% des pèlerins. Les vols prendront fin ce vendredi même selon un responsable du Coro que nous avons joint. Et, cette année, c'est la compagnie Niger Airlines en partenariat avec l'avionneur saoudien Flydeal qui opère les rotations. Memouna Jadou, que pensez-vous de l'organisation du COHO, la commission à l'organisation du Hajj et de la Umrah cette année euh, merci Nefissa. Euh, moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas eu euh, tellement de désagréments cette année concernant le Hajj 2024. Euh, pas en tout cas comme les années précédentes où on a vu qu'il y a eu même des problèmes au niveau de l'acheminement donc des pèlerins, mais cette fois-ci, euh, je pense que tout semble être en tout cas euh, bien organisé. En tout cas, sur, les sur les 16 vols, il ne reste que deux vols qui prendront fin ce vendredi. Donc, ça veut dire que ça a été bien organisé. L'implication des autorités euh, à côté, donc, aux côtés donc, du Coro a certainement euh, fait la différence. Hein. Et je n'ai pas, en tout cas, eu vent de, de des agences qui se sont plaintes jusqu'à présent. On n'a pas eu vent également des pèlerins qui se sont plaints. Il n'y a en tout cas pratiquement pas de pèlerins qui restent à Niamey, puisque les deux vols vont quitter aujourd'hui et on ne peut que leur souhaiter un bon Hajj, Mabrouk et surtout de prier pour le Niger. D'accord. Alors un tour de table a remis euh, une appréciation de l'organisation du Hajj cette année. Euh, ça confirme euh, notre observation de tout le temps ce pays, ce n'est pas un problème de texte, ce n'est pas un problème d'organisme ou de service que nous avons, c'est des problèmes d'hommes. Euh, vous avez vu au niveau du COHO et au niveau vraiment, en fait, de l'organisation de euh, euh, du, 2024, mhm. les hommes ont changé mhm. et tout roule. Euh, l'année dernière, à pareil moment, à quelques jours, euh, c'était des problèmes vraiment à n'en point finir. Mhm. Parce que déjà l'année surpassée, des problèmes se sont passés. Il y a eu même des gens qui n'ont pas été. En plus, il y en a à qui on a demandé d'aller après la couverture, la, clôture. Mhm. Il y avait des gens qui sont allés euh, une semaine durant à l'aéroport souvent des gens qui ne sont pas du Niamey, alors que les vols ont lieu à partir du Niamey. Il n'y a pas de problème. On a proposé de changer les avionneurs. Les gens ne nous ont pas écoutés. L'année dernière, les choses se sont répétées. Mm, mm, mm. Et comme par un coup de bâton magique, voilà que ça marche. C'est la même chose pour beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans ce pays-là. Il faut oser balayer une équipe qui ne gagne pas. Et les choses vont marcher. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, Ousseini, quel est votre euh, point de vue, vous, de votre côté, pour l'organisation du H cette année ben, ben, Je suis d'avis <laughs> mhm. avec Karimi, ce mhm. qu'il vient de dire. Quand une équipe ne gagne pas, il faut, il faut, il faut la changer. Mhm. On ne persiste pas à maintenir une équipe qui ne gagne pas. Ce n'est pas seulement l'année dernière. Pendant pratiquement plus d'une décennie, on a vu, on programme, on fait la programmation, ça commence telle date. Souvent, les premiers pèlerins vont quitter 4, 5, 6 jours après, n'est-ce pas Parce que tout simplement, il y a le problème du transport. Les avionneurs. Les avionneurs. Cette année, quand même, on a vu quand l'équipe a changé, avec, eh, au niveau, comme avait dit, des autorités, des gens qui n'ont rien à foutre avec euh, des, eh, comment ça s'appelle, des bailleurs de fonds qui peuvent éventuellement financer des campagnes. On a vu quand on a capté quand même une compagnie bien connue, qui était là, qui souvent qui captait pratiquement une bonne partie des pèlerins à transporter. On a vu ce que ça a donné. Hum, hum, hum. On connaît les problèmes. Ça ne peut pas se répéter d'une année à l'autre. Et on a vu, et je suis convaincu que de la même manière, il n'y a pas eu de, de problème pour l'aller. Je suis convaincu de cette même manière il n'y aura pas de problème au retour. Parce que tout simplement, l'avionneur qui a été sélectionné, travaille avec un autre avionneur qui est capable de transporter en fonction des rotations qui ont été prévues. Donc vous faites tous euh, l'unanimité que vraiment euh, cette année ça va. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mhm. Et moi je pense que ce qui s'est passé, c'est quand même, euh, il faut le faire. Il, faut, il faut, féliciter la nouvelle équipe du mm parce que tout simplement, ça montre que c'est les hommes. quand ça ne va pas, changeons les hommes. Quel qu'il soit il faut le changer, il n'est pas éternel. Mhm. Mais quand on les maintient, c'est parce que tout simplement, il y a des et pour rappel, cette année, c'est quelques 10 381 pèlerins nigériens inscrits qui vont accomplir les rites du cinquième pilier de l'islam avec un quota de plus de 15 000 pèlerins accordés par l'Arabie saoudite. Et je reste avec vous, Ousseini. Chaque année au Niger, plusieurs pèlerins sont empêchés de voyager avec certains produits. On peut citer la cola en grande quantité, les produits éclaircissants. Néanmoins, cette pratique euh, continue. Quel est votre avis sur ce point moi, je me dis, quand quelqu'un va, moi, par rapport à ces produits qui sont prohibés, mhm, mhm. c'est pas qu'ils ne sont pas informés, ils sont informés. Les pèlerins qui veulent, qui, qui, essaient de dissimuler, c'est pas qu'ils n'ont pas l'information au moment de la formation. Au niveau du corps, on explique qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qu'on peut pas amener. Mhm. C'est pas seulement au Hajj, même dans d'autres pays, il y a des produits, tu sais qu'en les transportant, ce n'est pas possible. Ça veut dire que pour moi, ce n'est pas véritablement pour, le Hajj que les, gens, beaucoup vont. Ils vont pour faire du commerce. Ce n'est pas autre chose. Mm-hmm. C'est ce que ça signifie. Vous savez bien, on vous informe. Maintenant, ils sont allés jusqu'à dissimuler parce que quand j'ai vu les images, où on a dissimulé des, des, images récentes de cette année. Oui, oui bien sûr, à, partir de l'aéroport de Niamey. Mm. Heureusement qu'on a pu détecter ces choses-là à l'aéroport de Niamey. Ça allait être plus grave là-bas. Mais que pensez-vous Où se situe le problème Est-ce que. Euh, pourquoi ça continue Les agences de pèlerinage ne sensibilisent pas ces pèlerins sur le, monde transport sensibilise, Les agences sensibilisent. Les, les locaux sensibilisent. Le gouvernement sensibilise parce qu'ils travaillent avec les, indications des autorités saoudiennes. Voilà ce qu'on ne veut pas chez nous. Vous ne pouvez pas rentrer avec tel produit, tel produit, tel mm, mm, produit chez mm. nous. Mais euh, comment ne pas comprendre que les gens le font délibérément en se disant que ça peut, ça, ça peut fonctionner. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le Hajj qui motive véritablement. On se dit que parallèlement, je vais faire semblant de faire le Hajj, mais je vais faire le commerce surtout parce que je sais que c'est prisé là-bas, je vais l'amener clandestinement et je vais tout faire pour faire passer ça. Bon, fort heureusement que <laughs> on a pris des quantités importantes ici mhm. à l'aéroport de Niamey. Parce que le problème, c'est qu'arriver là-bas, ça allait coûter cher, il faut des mhm, mhm, tractations. Même ceux qui les transportent là, il faut faire des tractations pour pouvoir les sortir d'affaires. Alors, Armi, comment le Coho doit s'y prendre pour, euh, face à cette pratique euh, qui, d'aucuns disent euh, elle ternira peut-être l'image du pays Bon, Parce que hein, l'Arabie saoudite a un certain nombre de produits qu'elle a interdits déjà. Le fait même que les gens persistent, c'est dû au fait que c'est des produits généralement qui ne sont pas interdits chez nous. Hmm. Donc les gens ont du mal à comprendre que ce produit-là soit interdit ailleurs aussi dans un autre pays musulman. Mm. Euh, c'est la cola. Et souvent les produits éclaircissants, ça c'est certainement pour nos sœurs euh, et nos frères qui sont installés là-bas, mm. qui en ont besoin. Euh, c'est la cola ah, dans, l'ancien temps, si vous êtes croqueur, comme on le dit, n'est-ce pas, on vous permet d'apporter une certaine quantité. Et selon les gens qui ont essayé, euh, même le peu là qu'on te permet d'amener te permet d'engranger quelques bénéfices, n'est-ce pas, qui te permettent d'acheter de quoi ramener à la maison. Et vous le savez, euh, les gens cherchent toujours des solutions où il faut avoir un petit bénéfice, un petit surplus. Mm-hmm. C'est ça qui fait. Je crois que il faut continuer à sensibiliser. C'est la loi saoudienne qui prévaut à la matière. Vous allez en Arabie saoudite, ils interdisent tel produit, s'il vous plaît, n'amenez pas. Bon, nous, on sait que la cola, nous, on croque euh, la cola tous les jours. Chaque baptême, baptême c'est une occasion pour croquer. Mm-hmm. C'est chaque mariage, mm-hmm. c'est la même chose. Mais je crois qu'il faut sensibiliser tout simplement mm-hmm. qu'il y a, qu'on va dans un pays étranger, qu'il y a les lois de ce, de ce pays-là qu'il faut respecter et chacun doit euh, s'y faire avec. Et ça, c'est au niveau des agences de pèlerinage. Comme le disait Ousseini, euh, jusque-là, aucun incident n'a été euh, souligné. Et ça, il semble-t-il que, peut-être les agences de pèlerinage cette année ont été associées. Oui, certainement. Parce mm, que aussi, il y a une pratique qui a pris de l'ampleur aussi, c'est la formation mm. des pèlerins, euh, y compris dans l'accomplissement des rites. On leur apprend comment ça se fait. Mm. Et aussi, on leur dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment il faut se conduire. Si vous vous perdez, voilà comment il faut se comporter, et ainsi de suite. Mm. Je pense que euh, ces messages, ces messages, l'avons passé euh, facilement. Il faut aussi noter que dans tous les cas, de tout temps, les Nigériens, on a été euh, parmi euh, les meilleurs élèves hein, mhm. euh, dans la pratique du Hajj ou même ailleurs d'ailleurs. Il y a plein de pays, certains de nos voisins ne sont pas ne peuvent même pas aller même avec leur leur, leur visa mhm. alors que le Nigérien peut aller prendre le visa à l'aéroport parce qu'on connaît que on sait que le Nigérien il a un comportement quand même jusqu'à récemment l'année dernière, il y a un fait divers qui a défrayé un peu la chronique, mhm. mais ça arrive à mhm. n'importe quel peuple, dans n'importe quel... Euh, il y a la mauvaise graine, ça arrive. Mais vraiment, il ne faut pas, je crois que euh, sans faire pour ça, les Nigériens vont. Alors, euh, la nouvelle équipe, oui, mais Mouna. En fait, je voudrais juste dire que ceux qui, qui, font ça, c'est surtout les femmes. Hein c'est surtout les femmes qui font, en fait, qui amènent ces produits-là, où on dit des produits prohibés. Mm. Donc, je, me dis que certaines de ces femmes-là profitent du Hajj pour aller faire leur commerce là-bas. Mm. Parce que tu ne peux pas aller sur une, sainte, sur une terre, sainte, où tu vas pour pouvoir enlever tous tes, tes, tes, tes péchés, et autres et ensuite aller encore prendre d'autres péchés pour revenir avec. C'est pas, c'est pas du tout bon. Donc moi je me dis que c'est parce que c'est de bouche à oreille, celles qui arrivent à mener ces produits-là, quand elles vendent, quand elles reviennent l'année prochaine, elles, vont, elles disent à leur sœur, mais voilà, nous, comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir passer avec les produits. Mais mm. ce qu'elles ne savent pas, c'est que chaque année, il y a des renforcements que au niveau de l'aéroport, <laughs> on a même dit c'est pas l'aéroport d'ici, ça sera l'aéroport de l'Arabie Saoudite. Mm-hmm. Et rien que ce que Armi vient de dire, L'année passée, là, oh, tout le monde a vu sur les réseaux sociaux mhm, mhm. comment les deux femmes qui ont été prises là-bas, mhm, les gens, le bruit a couru, qu'on allait les décapiter, qu'on allait le faire ceci. Mais bon Dieu, ça donne à réfléchir. Alors, euh, cette euh, nouvelle équipe, euh, vous venez de le dire, est à saluer. Un tour de table, quelles sont vos recommandations pour que, à toute la chaîne même d'organisation du Hajj, pour que tout se fasse dans les normes, même les années à venir. Mais Mouna, je commence avec oui, vous. C'est de maintenir une équipe qui gagne c'est de renforcer également parce que les petits problèmes, ça ne manque pas. Maintenant, au retour donc du h 2024, c'est de s'asseoir, de regarder, de regarder du côté donc de l'organisation, hum. qu'est-ce qui n'a pas physiquement ou matériellement manqué et, euh, marché, et de revoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, surtout non pas ici, mais au niveau de l'Arabie saoudite. Donc, de l'accomplissement, la restauration, l'hébergement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, parce que nous, nous sommes ici, nous ne pouvons pas savoir mhm. tout ce que nous voulons savoir, mais c'est eux qui sont avec euh, les pèlerins nigériens là-bas mhm. qui doivent prendre en tout cas des mesures euh, et de sensibiliser surtout, surtout les pèlerins sur la propriété, surtout. Là aussi, il faut parler de propriété, mhm. parce qu'il faut être propre dans son pays, il faut être propre également quand vous partez là-bas en Arabie Saoudite. C'est très important. Alors, Ousseini, quelles sont vos recommandations à toute cette chaîne d'organisation du Hajj au Niger le cap, on a une bonne équipe. Mhm. En tout cas, de par ce que je viens de voir, de par ce que je viens de voir, je crois que ça a commencé le 22. Il n'y a pas eu de quoi au niveau du transport, n'est-ce pas J'espère qu'il sera ainsi aussi concernant l'hébergement, la restauration, parce que c'est des aspects aussi là-bas. Il y a eu beaucoup d'images où les gens dormaient sous des ponts et tout et tout. L'essentiel, c'est de gagner, de, maintenir une équipe qui gagne. Maintenant, s'il y a des difficultés, si l'équipe commence à flancher, il faut, il faut balayer. <laughs> Ah, tout simplement. je commence par là où Ouseni a fini. Vous savez, euh, la rage dit il ne faut jamais changer une équipe, qui, gagne. Mais euh, aujourd'hui, avec l'exercice de la démocratie, on s'est dit aussi que l'alternance, le changement, il faut savoir céder les choses avant que les choses ne vous quittent. Mhm. Donc, on a une équipe qui marche, n'est-ce pas Au bout d'un moment, mhm. il doit y avoir du sang neuf dans n'importe quelle équipe. On doit toujours veiller, songer à améliorer ce que nous avons sous la main. Mais chapeau pour ce qu'ils sont en train de faire. J'ai aussi constaté une chose qu'ils vont, qu'ils font, qui est bien, mais qu'ils doivent améliorer encore. Euh, j'ai un ami qui va, n'est-ce pas, et qui m'a dit qu'il connaît déjà la date de son retour. Je crois que c'est le 21, mm. il mm. m'a dit. Ah, Ça, c'est formidable. On l'a dit l'année dernière, par mm. exemple. normalement, en matière d'aviation, quand tu sais ta date d'aller, de la, date aussi doit être aussi, mhm. C'est le cas. Mais aussi, hier, j'ai vu un communiqué aussi que un des vols a été reporté de quelques heures. Et il y a un communiqué qui a circulé mhm. pour informer tout un chacun que mhm. ça a été bougé mhm. parce que l'avion sera là un peu en retard. Et donc, c'est comme ça la communication avec les moyens modernes euh, qui permettent de toucher directement les concernés, n'est-ce pas, ou leurs représentants euh, doivent être mis, mis en place. Et je crois que c'est bien possible. Donc c'est la communication qu'il mhm. faut accentuer. Alors, Merci, merci donc euh, pour le décryptage de ce premier sujet. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous pour la suite de ce forum. deuxième sujet de ce forum de la presse, le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen évoquait des discussions avec certains pays comme l'Algérie ou encore le Cameroun pour de nouveaux corridors de transport des marchandises des commerçants nigériens. C'était lors de sa rencontre la semaine dernière avec les opérateurs économiques. Une proposition raisonnable selon l'économiste nigérien Ibrahim Adam Louché, interrogé par Ternan Foudeya. On l'écoute. La proposition du Premier ministre reste crédible de mon point de vue, compte tenu en effet du blocus imposé par la CDAO, qui a certes été levé, mais qui continue par ailleurs d'éprouver durement la population et qui a révélé au passage que vos partenaires d'hier peuvent ne pas l'être aujourd'hui et demain. Il faut impérativement mettre le Niger à l'abri d'éventuels chantages. Le fait de diversifier les corridors peut permettre d'atteindre cet objectif et donc limiter ce risque. toutefois, pour inciter les opérateurs économiques à se tourner vers les autres ports, le gouvernement doit les accompagner en mobilisant davantage des moyens pour rendre donc ces nouveaux corridors opérationnels et donc plus sûrs, voire compétitifs, avec euh, par exemple la construction des euh, nouvelles infrastructures pour accroître les échanges entre le Niger et ses voisins. Alors revenons dans ce studio. Arimi, pensez-vous que, comme l'économiste, que la proposition du Premier ministre est raisonnable Oui et non. Hmm. Oui, euh, parce qu'on doit avoir des bons rapports avec euh, tous nos voisins et on doit être euh, en mesure d'utiliser euh, selon la provenance des produits n'est-ce pas, n'importe quel port, mhm. parce que nous n'en avons pas, nous. Donc, il nous faut utiliser des ports, les ports des autres. cependant, moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la, la face. le port de Cotonou reste et demeure, n'est-ce pas, notre port naturel. Parce que d'abord, euh, c'est le seul pays que nous traversons. Une fois qu'on est au Bénin, c'est directement au port qu'on va. Partout ailleurs, il faut passer par un autre pays. Mhm. Pour aller au Togo, il faut passer par le Burkina. Pour, aller euh, en Côte d'Ivoire, il faut traverser le Mali, le Burkina, et euh, ainsi de suite, le, mhm. Ghana. Mhm. Pour aller en Algérie, oui, on ne traverse que l'Algérie, mais la distance, n'est-ce pas euh, même par rapport à Agdez, qui est la ville euh, ou à Arlit, qui est la ville, qui est la ville au plus au, plus au nord, c'est quand même énormément de, distance. Donc euh, vous pensez peut-être avec la proximité donc Non, mais c'est la réalité. C'est Parce que en matière de transport, c'est la distance qui compte, n'est-ce pas Mais aussi l'accessibilité, la facilité. Mais aussi, nous avons une habitude qui est créée et malgré notre capacité de résilience, de compréhension et tout, quand même nous avons du mal à, appréhender, vraiment à s'adapter. Et il faut reconnaître quand il y a des problèmes, oui, il ne faut pas utiliser n'importe quel port avec lequel, euh, avec les réseaux. On a où on a un problème. Mais ce il faut pouvoir surpasser. Comment est-ce qu'on peut revenir à utiliser, oui, on peut continuer à utiliser le port de Lomé, mhm. mais le port de Cotonou, comment on va revenir à l'utiliser sans qu'il y ait de problème La preuve, les autres ont ouvert leurs frontières, nous n'avons pas. Elles toujours Voilà, mhm. pourquoi mhm. Euh, Les raisons avancées, c'est qu'il y aurait des camps d'entraînement euh, des ennemis dans ce pays-là. Est-ce que ils vont venir nous attaquer directement est-ce que c'est par cette frontière-là, cette route-là qui passe par Gaïa qu'ils vont, seulement qu'il est possible de nous attaquer, hmm. n'est-ce pas Ou bien on veut faire rendre gorge au président béninois qui nous a fait, excusez-moi du mot, vraiment voir de toutes les couleurs, n'est-ce pas, pendant la fermeture par la, par CDAO de nos frontières. C'est plutôt cette deuxième euh, supposition qui est plausible. Donc, si je comprends, selon vous, cette proposition n'est pas prometteuse Ce n'est en tout cas, ce n'est pas rentable. Moi, je pense que l'essentiel de la chérité, oui, par exemple, quand on prend un produit comme le riz, au plan international, déjà, il y a un renchérissement du prix du riz. Mhm. Mais le riz chez nous coûte davantage plus cher mhm. parce que nous allons le chercher plus loin. N'est-ce pas Avant, on prenait seulement au Bénin pour venir. Aujourd'hui, on contourne pour aller ça, chercher ça avec 200 ou quoi, 300 km de plus. Ça, c'est pour Niamey. Mm, mm. Imagine, c'est normal que ça coûte plus cher à Difa parce que après avoir amené à Niamey, il faut continuer pour l'amener à Difa, là aussi faire 1000 et quelques kilomètres. Mm. Et il y a l'habitude qui est créée. Mais aussi, n'oublions pas que euh, nous, euh, le, le, Gaïa constitue quand même un poste douanier important l'essentiel des recettes de la douane, n'est-ce pas, pour notre pays où c'est la recette douanière aussi contribue, mm. constitue une contribution importante au budget national, que le poste de gage joue un rôle extrêmement important. C'est des choses vraiment, moi je pense qu'on doit être plus réaliste, on doit se, se lever, s'élever au-dessus vraiment de, de, l'ennemi ou de l'adversaire, mm. connaître les les intérêts de nos populations, n'est-ce pas Mettre les intérêts de nos populations en avant et dire que bon, euh, aujourd'hui c'est fini et on se met à contrôler comme il se doit mhm. vraiment nos, frontières. Oui, nous en avons, même avec le Nigeria, nous avons euh, le Nigeria a ah, des ports, mais pourquoi nous ne l'utilisons pas Alors, Ousseini, euh, bien que l'économiste estime cette proposition du PM d'être raisonnable, Arimi un peu sceptique, vous, qu'est-ce que vous en pensez non, mais la diversification, c'est toujours une bonne chose mm. en matière de commerce, en matière d'échange. Avec d'abord directement les partenaires avec lesquels on, a des frontières. C'est une très bonne chose et dans tous les domaines, mm. n'est-ce pas Mais il faut aussi faire le calcul de coût, comme l'a dit Arimi. Justement, donc, sur le calcul de implique quoi Parce que avant tout, c'est bien beau de dire bon, on va aller par ci, on va aller par là. Mais ceux qui doivent aller acheter pour venir vendre, ils sont dans le commerce pour faire des bénéfices. Le coût de transport, le coût de le coût de transport et puis le temps, le temps, la, le temps d'acheminement, le temps d'acheminement, n'est-ce pas On a connu des ruptures ici parce que tout simplement il y a eu un contournement où il faut passer par le Burkina. Hmm aller, comme on avait dit, jusqu'à Kaya, Kaya pour pouvoir accéder mhm. au, au, port de Le temps peut prendre une semaine. Non, mais ça peut prendre une semaine, bien évidemment. Je suis d'accord qu'on diversifie, c'est normal. Dans tous les domaines, et hein, pas seulement en matière de commerce, dans tous les domaines, la diversification, c'est une bonne chose parce mhm. que ça peut éviter les surprises désagréables comme celles qu'on a connues avec les sanctions de la CDAO. Agadez, quand on prend Agadez par exemple, <coughs> si on fait, et comment ça s'appelle, la jonction avec l'Algérie, avant quand la Libye était prospère, il n'y avait pas d'insécurité. Les gens allaient jusqu'en Libye, ils apportaient des marchandises qui coûtaient moins cher à Agadez quand ils arrivent à Agadez, même jusqu'à Difa. Jusqu'à Difa, Jusqu'à ça coûtait pratiquement moins cher. Moi, j'ai l'habitude d'acheter des, des, biens de qualité des biens de qualité. Mm. Mais il faut, ce n'est pas, on ne pas sur un coup de tête, euh, n'est-ce pas Il faut réfléchir, il faut faire le calcul des coûts. Donc il est bien beau de bien, penser. Moi, je suis pour la diversification mm-hmm. dans tous les domaines. Hein. Mais il faut voir aussi l'impact que ça pourrait avoir. il faut aussi voir l'impact parce que le tout n'est pas d'aller à importer. Il faut tenir compte aussi des consommateurs. Mm-hmm. Parce que vous allez prendre un produit, tout à l'heure, Armée a parlé du sac de riz. Ça coûtait 11 000 euh, avant les événements. Le sac est passé à 16 000 euh, souvent 17 000, dans, certains endroits. Mhm. Alors, est-ce que du jour au lendemain, quand ça passe du simple au triple, parce que carrément, il y a une augmentation de plus de 6 000 francs mhm, mhm. sur le sac, est-ce que c'est supportable pour les populations Tous ces calculs-là doivent être faits. n'est pas simplement dire on va couper avec euh, Cotonou parce que Cotonou nous a emmerdés on va essayer de créer les mm. conditions pour qu'il y ait cette diversification, mais sans oublier qu'on doit aussi voir dans quelle mesure et prendre avec euh, le pôle plus, le naturel. Le pôle naturel du Niger, c'est d'abord le pôle de Cotonou. D'accord. Alors vous, Memouna, selon vous, quelle sera euh, la capacité de résilience même de la population face à cette situation Mais déjà, déjà, on ne parle pas de capacité parce que <laughs> les populations, la résilience, là, les populations ont assumé durant combien de mois Là, on s'achemine vers un an déjà, hmm. et c'est pas du tout facile euh, même si cette population se, tait, eh, elle ne veut pas sortir dire ce qu'elle endure, mais il faut d'abord faire un tour, même ici à Niamey, tu vas mm. voir <laughs> la, situation dans laquelle se trouvent les populations. Mm. Aujourd'hui, le sac de riz à 18 500, voire 19 000, hein, ça mm, va aller jusqu'à 19 000 si on ne fait pas attention. Euh, le sac de maïs, déjà, ça nous provient de vers euh, le Bénin, Cotonou. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, si on doit ne pas chercher à réouvrir les frontières avec le Bénin, si les produits vont traverser combien de kilomètres pour venir ici à Niamey, mais ça veut dire que là, là, c'est, il faut, ils vont tenir compte de la distance. Est-ce mm. qu'ils ont fait des calculs pour mm. tenir compte mm. également du pouvoir d'achat des Nigériens C'est ça le gros problème. On n'est pas contre à ce qu'on diversifie, comme l'a dit les deux autres, qu'on diversifie à les ports, euh, les corridors, mais il faut faire un calcul avec ce qu'on a plus proche de nous et qui peut, en un clin d'œil, déjà qui peut satisfaire aussi. Déjà que les commerçants sont habitués avec les commerçants, le, port les de Cotonou. Oui, de Cotonou. Aujourd'hui, là, avec cette situation, même les commerçants profitent. Les commerçants profitent pour faire cette, euh, euh, pour augmenter les prix de ces produits-là, de ces, de, de, ces produits Donc c'est la population qui va continuer de subir. C'est la population qui va continuer à subir et c'est pour ça qu'on interpelle pour qu'on puisse trouver une solution rapide à cette situation-là, entre le Bénin et le Niger. Et le gros problème, c'est que dans tout ça, on oublie la population, mhm. on oublie les guerres sont là, mais on oublie que, <laughs> ah, ah, ah, au, fait, la population est en train d'endurer. Et c'est... Oui, Hussein. On dit la population, c'est la résilience. <laughs> mais, il y il arrivera un moment où. Non, on non, non, mais je veux dire une chose. je veux dire une chose. Hein. Mhm. Quand on parle de résilience, c'est oh. est-ce que, est -ce que euh, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, mhm. le pouvoir d'achat des populations a été amélioré. Mais ce que je voudrais aussi mhm. augmenter, c'est que jusque-là, les autorités ne sortent pas pour aussi parler de ce prix, ces prix-là qui sont en train d'être, euh, euh, euh, qui, sont en flèche, quoi. Mm. Même le riz, mais même le riz, aujourd'hui, le riz local, c'est à 13 000, 13 500. Il faut d'abord se démerder, il faut pour avoir un sac, deux sacs là, mm-hmm. il faut d'abord que c'est un peu compliqué. aussi, hein, la fermeture des frontières et autres dans les relations entre les pays, c'est quelque chose qui, qui arrive l'Algérie, la frontière est fermée depuis longtemps. Depuis longtemps, moi j'étais à la frontière à Samaka en 2017, c'était fermé. Déjà avant ça, c'était fermé. Et selon des, des, sources dignes de foi, jusqu'à aujourd'hui, c'est fermé. Mm. C'est seulement le week-end ou une fois par mois qu'ils ouvrent n'est-ce pas, pour vraiment rentrer. pour hein. rentrer des produits qu'ils ont en surplus. Mhm. Malgré tout, la population, bien sûr, c'est là qu'on doit permettre aussi à la société, à, notre population, arrive quand même à s'approvisionner en produits algériens. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, si on part à Ottawa ou à Gadez, on en trouve. Donc c'est la même chose partout là où, parce que nous n'avons pas de port. Ça, c'est un manquement auquel on s'est adapté depuis des lustres, mm. depuis toujours. Mm. Mais il faut en tenir compte. Si notre euh, quitte depuis les puits de là-bas de Agadem, mhm. mais ça traverse tout notre pays pour venir sortir par le Bénin, c'est quand même pas pour rien aussi, mhm. n'est-ce pas C'est des choses dont il faut tenir compte. Pourquoi à l'époque les autorités n'ont pas tracé C'était plus simple mhm. par le Tchad et sortir par le Cameroun, par exemple. Donc vraiment, il faut euh, donner sa raison à l'histoire, il faut donner euh, sa raison à la géographie, et il faut euh, souvent pouvoir avaler aussi euh, son amour propre, c'est important, mais vraiment dans l'intérêt de nos populations. quoi. Euh, merci. Les prochains jours, nous en dirons plus. Nous allons observer une courte pause. Nous abordons le dernier sujet de ce forum, euh, un sujet international au Burkina Faso. Les assises nationales sur la transition se sont soldées le 25 mai dernier par la signature d'une nouvelle charte prolongeant la transition pour cinq ans. La nouvelle charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré fixe une période de transition de cinq ans à compter du 2 juillet prochain. La version initiale de ce document proposait une durée de 42 mois, soit trois ans et demi, mais cette durée a finalement été allongé. Mais Mouna, comment avez-vous accueilli cette information <laughs> Bon, euh, j'ai appris cette information euh, comme tous les Nigériens, hein, mm. parce que cinq ans, cinq ans pour euh, le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso et qui lui donne également après les cinq ans la possibilité de briguer ou mhm. bien de de se, présenter. aux élections mhm. présidentielles mhm. avec tout son staff. je me dis que c'est bon, ça, comme on dit, ça les regarde. Mais pourquoi même selon vous une prolongation Ça les regarde puisque <laughs> c'est leur pays, le Burkina. Parce que là, on dit que c'est en fait la population, les couches mm-hmm. socioprofessionnelles professionnelles qui se sont rencontrées, mm-hmm. qui, qui ont décidé décidé de lui accorder 5 ans. Mm-hmm. Mais 5 ans, mais bon Dieu, c'est l'histoire de l'AES. Euh, cette histoire de l'AES là, puisqu'ils sont déjà en train de créer les textes. Euh, la population a peut-être estimé que c'est la bonne personne pour <laughs> diriger le pays. La bonne personne pour diriger le pays, est-ce que l'insécurité est finie depuis qu'il a pris le pouvoir Puisque on parle de l'insécurité, mm. son, son prédécesseur là, qui était là. Il a été vite remplacé par lui, je pense, mm, parce que mm. on dit qu'il n'a rien fait durant les un an ou quoi là qu'il a fait, puisqu'il a dit qu'il allait prendre les décisions mm-hmm. les précautions ou je sais pas pour lutter contre le terrorisme. Mm-hmm. Mais est-ce qu'aujourd'hui le terrorisme est fini au Burkina Faso D'accord. selon vous, pourquoi une prolongation hein. Selon vous, pourquoi une prolongation au Burkina Pourquoi une prolongation On a quitté la CDAO, mm-hmm. n'est-ce pas Il n'y a plus de contraintes de l'autre côté, quoi. On a mis en place l'Alliance des États du Sahel, n'est-ce pas hmm. Qui constitue un, euh, comment comment, un, nouveau cadre organisationnel à travers lequel on entend lutter de manière vraiment efficace contre le terrorisme, n'est-ce pas hmm. Au Mali, au Burkina et au Niger. À partir de cet instant, moi j'ai dit, <laughs> il ne fallait pas, ça ne m'a pas surpris. Parce que le terrorisme, c'est un fléau. Euh, comment on appelle euh, On ne sait pas à quel moment ça va finir, n'est-ce pas Et c'est les conditionnalités qui ont été posées pour pouvoir organiser des élections et tout et tout, n'est-ce pas Au Mali également, c'est la même situation qui, qui, va prévaloir, certainement, je ne sais pas chez nous encore. Il n'y a rien qui est encore précis dans, notre démarche. Mhm, mhm. Mais bon, on voit bien la tendance on voit bien la tendance. Il faut d'abord régler un certain nombre de problèmes avant de pouvoir songer à revenir à la démocratie. on est dans cet élan-là. Mhm. Et même, ils disent que euh, après cette transition, le président, le premier ministre même peuvent se présenter aux élections. Mais, pourquoi on a déjà vu un <laughs> pays où, quand tu fais coup d'État, tu viens, on va t'empêcher de te présenter. Il n'y a pas un seul pays. Non, y a, après, après les élections, après les tensions, il n'y a pas. Moi, en tout cas, je n'en connais pas. D'accord. Quand la personne fait son coup d'État, c'est toujours c'est pour s'arranger. Ça, ça, il s'arrange pour que, après, les populations, même on sort, on dit c'est les populations qui revendiquent qu'ils soient, ils soit candidats. Prenons le cas de Fils Déby. Après le, la transition, bon, <laughs> eh, il a organisé des élections. Doit-on s'y attendre à une telle situation ici au Niger Je n'exclus pas. Je n'exclus pas cette éventualité-là au Niger aussi. Parce que c'est là On est dans, dans, une même dynamique, dans un processus. Moi, je n'exclus pas. Mm. Comment Comme avait dit, je n'exclus pas cette histoire. Alors, Arimi, un mot sur cette transition prolongée au Burkina Faso Bon, écoutez, le capitaine Traoré Ibrahim, n'est-ce pas, l'a déjà dit dit on ne doit même pas parler d'élection tant que le dernier euh, carré, mètre carré du territoire euh, burkinabé n'est pas libéré. Hmm. selon eux encore, jusqu'à 40%, n'est-ce pas, euh, de ce territoire-là est encore sous l'emprise vraiment des terroristes. donc, qu'il prolonge. Euh, c'est pas étonnant, mais je suis quelque peu surpris quand même par cinq ans euh, de plus euh, que les deux ans qu'ils ont eu à passer, je crois, à la tête de l'État burkinabé. Hmm. moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les longues transitions. Ce n'est plus une transition, c'est plus... Les mandats que nous avons, c'est généralement 4 ou 5 ans, hmm. tout au plus sept ans. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est déjà plus de 7 ans. Mm. Donc c'est quand même énormissime. Euh, en la matière, en principe, il faut faire le bilan de ce, qui a été mm, fait. Mm. Il est ressorti de, ces assises que le bilan est satisfaisant, selon eux. Bon, mais euh, dans tous les cas, nous aussi, on suit de près. On doit savoir pourquoi le coup d'État a été fait, n'est-ce pas Et euh, est-ce que les engagements qui ont été pris ont été déjà respectés, ou bien ça nécessite 5 ans de plus encore, n'est-ce pas, pour que ça soit, c'est comme l'a eu à le dire euh, Maimouna et même euh, mm. euh la question, ils sont mieux placés que nous. Euh, la guerre, vous avez vu, à Difa, on avait de, de, de, de, pendant un moment, mm-hmm. mais depuis un certain temps, il y a quand même des attaques. Mm. Comme quoi la guerre ne finit pas définitivement euh, d'un jour à l'autre. Il y a toujours vraiment des survivances, il y a toujours euh, des, des, gens qui vont venir euh, vous rappeler que vous avez été en guerre. Pendant... Donc et ça, ça va durer pendant longtemps. Et donc, rattacher vraiment le retour à des régimes démocratiques euh, de, euh, rattacher ça vraiment à, la fin de la guerre, mhm. je crois que euh, ça ne tient pas du tout. Moi, je sinon, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui a fait la transition et qui va être candidat. Pourvu qu'il y ait des élections transparentes et libres, n'est-ce pas que la population ait la possibilité de choisir celui qui lui convient Ok, il n'a que la personne. Le moment venu, il quitte la présidence ou la primature, il se présente et on procède aux élections. S'il gagne, tant mieux. Vraiment, s'il ne mhm. gagne pas, et eh, tant pis, il va retourner à la caserne et puis c'est tout. Est-ce que le CNSP doit-il s'inspirer aujourd'hui du cas Moi, je pense que, vu, euh, vu d'abord le processus de mise en place de l'AES, donc la confédération qui est enclenchée et dont ils sont, on est tous membres, n'est-ce pas, le Niger, le Burkina et le Mali. Si le Burkina et le Mali procèdent de cette manière, hmm. moi je pense que les Nigériens n'ont même pas le choix. Euh. Parce qu'ils ne vont pas dire que non, le régime de, euh, civil qui sera élu va poursuivre le même processus alors qu'ils n'ont pas commencé. Hmm. Donc je crois que, je crois euh, on doit s'attendre à ça au, Niger aussi. Hmm. Voilà sinon, c'est aux autres de ramener, vraiment de réduire leur, euh, la durée qu'ils se sont donnée, c'est qu'il ne faut pas rêver vraiment de voir quoi. donc moi, les gens s'ils sont candidats, ils n'ont qu'à se présenter, ils n'ont Mais des transitions vraiment interminables, euh, sincèrement. Euh, sous forme de mandat. Mais vous, êtes aussi d'avis. Est-ce que le CNSP doit-il s'inspirer aujourd'hui du cas du Burkina Faso Ah, moi je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que le CNSP doit s'inspirer du cas du Burkina Faso. Mm-hmm, mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans une alliance qu'on appelle AES et ils voudront, parce que ce sont des militaires quand même, ils voudront, ils ont tous fait un coup d'État et ils voudront continuer jusqu'à la fin de, de leur mandat mhm. de, de, 5 ans pour le, Burkina Faso. Certainement, il y aura 5 ans pour le Mali. Et si les deux ont déjà 5 ans, 5 ans, c'est que le Niger aussi, ils vont pouvoir faire, ils vont demander à faire un 5 ans. Mhm. Pour pouvoir, ils vont euh, mettre au devant donc euh, de ces 5 ans-là euh, l'AES parce qu'ils vont se dire qu'ils vont combattre ensemble cette insécurité. Mhm. Ils vont en tout cas mettre en forme l'AES avant de pouvoir laisser euh, place à la démocratie. Ousseini tout ce que je sais, c'est qu'au lendemain du coup d'État, il y a eu, ah. comme avait dit, une sortie pour dire voilà les organes qui vont être constitués. Oui. Il y a quelques organes qui ont pu être mis en place, mais il y a des organes qui attendent notamment et qui sont essentiels, n'est-ce pas, mm-hmm. qui vont permettre de permettre aux civils de de, participer à la, à la gestion de la tension, notamment le Conseil consultatif national qui devait avoir voir le jour après le forum, les assises nationales. Il y a aussi une structure qui nous concerne, <laughs> l'ONC, tout ça. Il y a d'autres structures. Jusqu'ici, bon, on a vu pendant que ces organes-là ne sont pas mis en place, on a vu des organes nets qui n'ont pas été annoncés dans le dispositif mm-hmm. initial. Mm-hmm. Alors on se pose bien des questions. Alors, me demandez pourquoi ça traîne. Là, alors, je ne sais pas quand même. Euh, avant qu'on aille aux Bientôt, bientôt euh, le, CNSP aura un an, n'est-ce pas mm. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, si cette année-là fera partie des trois ans déjà annoncés <laughs> ou pas. Mm. Voilà. Or, la transition a quand même commencé le se oh, oh, donc, tout ça, on ne sait pas, en mhm. fait. ils peuvent aussi faire les deux ans mhm. et demander trois ans. Comme ça, ça va faire cinq, ans. Mm, merci. Merci donc, euh, chers invités, pour euh, tout pour tous vos commentaires, vos appréciations et analyses. Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Et donc, c'est ici que prend fin le forum de la presse. Chers auditeurs et auditrices, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes les week-ends des 17h avec l'actu des jeunes suivi de tout ça la FADA et les forums en Hausa et Zarma à partir de 18h15. La technique est assurée par Amina je suis Nafisa Adam Sifo à la modération. Au revoir.